le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Il est 18h15 à Niamey, l'heure du forum Dissidio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme d'Issidio Kalangou qui sont diffusés en direct par 41 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum d'Issidio Kalangou tentera de répondre à la question création soudaine de formation politique par des jeunes au Niger en 2019 quelles sont les motivations le peuple nigérien a adopté lors de la conférence euh, nationale souveraine tenue en 1991 le principe de la démocratie pluraliste. Ce choix est matérialisé dans le préambule euh, des constitutions du Niger, y compris dans la dernière, celle du 25 euh, novembre 2010. Un parti politique est une association organisée de personnes qui ont en commun une idéologie et poursuivant un même objectif, celui de conquérir et exercer les pouvoirs politiques. Il s'agit alors d'une association autour d'une idée, d'un projet et d'un objectif. Ainsi, le Niger compte en 2019 environ 120 partis politiques légalement reconnus par l'État. Le nombre de formations politiques au Niger paraît peu comparativement au Mali environ 200 et au Bénin 250. Cependant, ce nombre paraît beaucoup par rapport aux partis politiques qui existent au Nigeria et en Côte d'Ivoire. 45 et 37 respectivement. Depuis l'avènement du multipartisme au Niger en 91, cette année est particulière car de nombreux jeunes ont créé leur formation politique. Pourquoi ce soudain intérêt pour les jeunes de se lancer à la conquête du pouvoir politique au Niger et à exactement 12 mois des élections législatives et du premier tour de la présidentielle Pour ce faire, nous avons dans ce studio à Kane Kadaure Habibou, président de la synergie des démocrates pour la République SDR Savoie. Kane Kadaure Habibou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Mokhtar. Salim Salim Zangina, président du comité politique des soutien des As, les amis de Salim. Les As Salim Salim Zangina, Bonsoir. Bonjour, Mokhtar. Et El Haj Atahir Mahamat, président du RDFD de El Haj Atahir Mahamat, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Kane Habibou, pourquoi vous avez créé le SDR Sabois Merci, euh, Monsieur Mokhtar. Merci également euh, au studio Klangou pour avoir euh, créé ce cadre qui regroupe les jeunes acteurs politiques que nous sommes afin de présenter les motivations qui ont présidé à notre décision de prendre part à la vie politique à travers la création des organisations politiques les partis politiques que vous connaissez. Je tiens à féliciter d'avoir la jeunesse pour avoir fait cela. Ce qui a, qui m'a motivé, tout d'abord, à décider, ou bien qui nous a motivés, parce que je ne suis pas seul, nous sommes un groupe de jeunes. Moi, je ne suis que la tête, je ne suis que le couronnement de cette formation politique SDR ou Synergie des démocrates pour la République. Nous avons choisi de faire cela d'abord parce qu'on se sent citoyen, prêt à défendre les intérêts du Niger, prêt à travailler pour euh, faire asseoir une véritable justice sociale, prêt à travailler pour euh, faire disparaître les inégalités des droits, prêt à travailler pour lutter contre l'injustice, l'impunité, le passe-droit, le favoritisme et bien d'autres mots qui gangrènent notre société. Si nous avions choisi de nous lancer en politique, c'est en connaissance de cause. Et c'est parce que, en tant que jeunes, il est très difficile d'intégrer une formation politique, de travailler avec le courage, la détermination, l'implication et l'engagement total et de trouver gain de cause en termes de carrière politique, en termes de promotion, ce qui fait que la jeunesse nigérienne s'était retrouvée plus ou moins abandonnée, quel que soit son engagement social, quel que soit son engagement politique, quel que soit son engagement entrepreneurial, il faudrait le souligner. Raison pour laquelle vous voyez une prolifération des entreprises, je parle des entreprises économiques, une prolifération des partis politiques créés par la jeunesse. Et je pense que cette jeunesse a pris conscience que pour aujourd'hui participer efficacement au développement de ce pays-là, il faudrait vraiment se départir de ce complexe-là qui ne permet pas à la jeunesse de se mettre au devant de la scène politique. De tout temps, la jeunesse a été exploitée de tout temps, la jeunesse a été utilisée pour des fins politiques, mais jusque-là, en dehors de quelques jeunes dont je ne vais pas revenir sur leur nom, je ne vais pas évoquer les noms ici, il n'y a pas de jeunes avec lesquels on compose dans la sphère politique au plus haut niveau décisionnel. Donc c'est pour euh, faire une rupture La rupture, oui. Pourquoi pas la rupture Si c'est vraiment la rupture qui peut être la solution aux problèmes qui mine notre pays aujourd'hui, politiquement, socialement, économiquement, pourquoi pas Mais nous, nous venons en politique pour d'abord chercher à comprendre. Parce que toute chose dans laquelle vous n'avez pas une véritable intégration, vous ne pouvez pas dire avec exactitude voilà ce qu'il faudrait. C'est-à-dire nous, nous sommes des jeunes qui avions toujours travaillé pour l'amélioration des conditions de la jeunesse nigérienne et de la femme. Et aujourd'hui, si on décide de prendre part à la vie politique, c'est pour d'abord comprendre avec exactitude comment le jeu politique est élaboré au Niger. Comment il est élaboré, c'est important pour nous, parce que moi, personnellement, et l'ensemble de mon équipe, on n'a pas eu de par le passé à prendre part à la vie politique. Ce qui veut dire que nous avons d'abord un véritable travail de base de comprendre d'accord les tenants et les aboutissants du fonctionnement de la vie politique au Niger. Et par après, ce qui est évident, les mots, nous les connaissons comme je viens de les souligner au début de mon intervention. On saura comment les attaquer quand on fera face aux véritables défis réels qui se dressent à nous, jeunesse nigérienne, pour apporter notre pierre à l'édification de notre pays des partis politiques sont créés juste pour soutenir le candidat d'un parti bien implanté et avoir leur part du gâteau, euh, comme on a coutume de le dire. Une fois le candidat de ce parti est élu, la SDR Sabois va-t-elle participer à toutes les élections à venir au Niger <laughs> tout d'abord, moi, je ne vois pas la politique de la même façon que vous venez de le dire, hein. c'est-à-dire prendre part à la vie politique pour avoir sa part de gâteau. Moi, en m'engageant en politique, je ne me vois pas dans un système euh, de partage, je ne vois pas dans un système de vol, dans un système de ceci, de cela. Je me vois beaucoup plus me mettre à la disposition de mon pays pour euh, trouver les conditions de mettre en épreuve mes capacités et permettre à mon pays de profiter de ma personne, de mes compétences du potentiel que je représente et du potentiel que les personnes qui m'accompagnent dans ce projet politique-là présentent. C'est comme ça que je vois la vie politique. La SDR Savoie est une euh, formation politique jeune, nouvellement créée, qui n'est pas petite, qui est grande, moi je le dirais, hein, parce qu'on a coutume à qualifier les formations politiques nouvellement créées comme des formations politiques petites. Chez nous, il n'y a pas de, de Pourquoi je dis il n'y a pas de petitesse Parce que nos aspirations, nos objectifs, d'accord, et les idéaux de notre formation politique sont des idéaux qui cherchent vraiment à faire du Niger un Niger sabois, comme le stipule la dénomination de notre formation politique. Et partant de cela, on sait que la tâche sera ardue, on sait que le terrain est particulièrement escarpé, considérant ce que nous connaissons comme pratique dans le milieu politique et comme difficulté et comme paysage, configuration du paysage politique qui est nos zones, on créé On sait très bien que on a du pain sur la planche, mais cela ne va pas nous décourager. Cela ne va pas nous empêcher de déployer tout ce que nous avons comme euh, bonne volonté de voir le Niger se développer et de voir le Niger vraiment intégrer les rangs des pays, d'accord, qui prospèrent, les rangs des pays qui se développent et les rangs de pays qui sont respectés sur le plan international. Notre parti SDR Savoie a des objectifs nobles. Il a des objectifs qui sont réalistes. Il a également des aspirations et des principes qui sont simples. Les principes de notre formation politique se limitent essentiellement, d'accord, à voir la création d'un modèle de citoyen nigérien qui sera prêt à servir son pays, qui sera prêt à travailler pour une cause noble et qui sera prêt à se départir de tout complexe, comme je l'ai dit, qui caractérise le Nigérien, celui de se développer politiquement d'abord, celui de se développer socialement, celui de se développer économiquement. Le Niger a tout à refaire. Le Niger a tout à faire plutôt. D'accord tous les secteurs de base, les secteurs sociaux de base au Niger sont au niveau des indicateurs alarmants, des indicateurs qui ne sont que négatifs. Et aujourd'hui, en tant que jeunes, la formation que nous avons reçue, l'engagement social que nous avions eu, l'engagement politique que nous commençons à avoir ne doit venir en contribution que pour davantage travailler sur les acquis, d'accord, qui sont les nôtres parce qu'il ne faudrait pas totalement écarter le travail qui a été abattu par la classe politique existante. Nous, nous sommes des jeunes qui ont un engagement sérieux, nous sommes des jeunes qui ont un engagement total et nous sommes des jeunes qui sont particulièrement solidaires, il faudrait le dire, et qui sont engagés vraiment à voir le Niger nouveau se créer. Et je pense que si on va venir avec des préjugés, d'accord, sur euh, la base de ce qu'il y a comme existant politiquement au Niger, on risque de ne pas trouver un terrain favorable nous permettant de le pénétrer, nous permettant de le comprendre et nous permettant de participer à son changement ou à la rupture même qu'il faudrait créer. Parce que quand on dit rupture, c'est une manière de créer totalement un écart, une distance entre ce que nous comptons faire et ce qu'il y a d'existant. Je pense que ce n'est pas ça qui est nécessaire. On a beaucoup plus intérêt à travailler sur les acquis. On a beaucoup plus intérêt consolider les à consolider les acquis, bien effectivement. Salim Salim Zangina, pourquoi créer un simple comité de soutien à lui et place d'un parti politique Pour nous, Mokhtar, euh, la question s'est posée en termes d'abord de moyens parce que nous avons, nous pensons que quand on s'engage politiquement, il faut le faire avec sincérité. L'implantation d'un parti sur tout le territoire nigérien que j'ai parcouru d'un bout à l'autre demande beaucoup, beaucoup de moyens. Voilà pourquoi, dans un premier temps, nous avons trouvé que c'était plus stratégique d'aller avec une candidature indépendante, soutenue par un comité politique, et par après, de voir maintenant comment évoluer sous la forme d'un parti politique. L'un dans l'autre, la finalité, c'est d'aboutir au parti politique. Mais les premiers pas peuvent être amorcés euh, par une candidature indépendante d'abord. Donc c'est surtout la, la, raison majeure de ce choix du comité politique. Ensuite, la deuxième raison aussi, c'est que le comité politique est plus malléable, il est plus efficace et il est plus léger dans sa gestion parce que il a des objectifs clairs, c'est la promotion du candidat indépendant et donc, il ne s'oppose pas de, de problème de positionnement, de problème de recherche de poste. Vous voyez un peu, il s'agit d'une équipe totalement technique, de communicateurs, de planificateurs, qui travaillent sur la campagne politique du candidat et sur son programme politique. Voilà. Et le but est de parvenir à positionner ce candidat-là. Donc, il va de soi que on ne connaît pas, par exemple, certaines situations du genre euh, le positionnement de, de, certains leaders dans le parti qui pourraient, dans certains cas, pas dans tous les cas, hein, mais qui pourraient, dans certains cas, un peu gripper l'efficacité de l'organisation. Mais Salim Salim Zangina, contrairement à Kane Kadawur mhm. Habibou, vous, vous aviez milité dans un autre parti politique Dans deux partis. Nous avons déjà une histoire politique bien avant. J'ai effectivement coordonné la communication du président Seyni Oumarou, MNSD Nassara à ma qualité de chargé de communication des amis et sympathisants de Seyni Oumarou. Par après, j'évolue pour arriver à l'UDR Tabat où j'assure également la communication et même euh, le porte-parole du président Amadou Boubacar Sissé. Mais je m'inscris totalement en, parfaite euh, adhésion avec ce que mon frère Kadaouré a dit. C'est qu'aujourd'hui, il est arrivé un temps où il faut assurer une transition le Niger très bientôt va connaître une crise de leadership parce que cette classe politique, en tout cas post, selon oui, post conférence nationale, a fait ses preuves. Le président Issoufou est le dernier euh, de cette classe-là qui aujourd'hui a géré le pays pendant dix ans. Ça veut dire que euh, elle a fini de nous montrer ce dont elle est capable. Et je rejoins également mon frère Kadaouré il y a eu des acquis. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui pensons que il faut jeter la pierre contre tel ou tel président ou bien il faut rejeter. Non, des routes ont été faites. Ces routes-là seront utiles à notre génération. Voilà. Des immeubles ont été bâtis, des hôtels et autres. L'économie a été réformée. Ça, c'est des acquis. Donc venir dire que non, non, rien n'est bon, il faut tout recommencer, c'est simplement un déni de, de sincérité et de vérité. Voilà pourquoi il faut que nous prenions ces acquis-là et que maintenant nous imprimions vraiment cette nouvelle vision-là que notre génération et je le rejoins également dans le fait qu'il faut l'avènement d'un Nigérien nouveau qui va allier intégrité et compétence. Voilà les deux maîtres mots. Parce que bien souvent, on met l'homme compétent, mais qui n'a pas d'intégrité. Ou bien on met l'homme intègre, mais qui n'a pas de compétence. Donc désormais, euh, avec cette nouvelle ère-là qui s'annonce, il faut que ces deux atouts-là soient alliés. Et je le rejoins également sur le plan économique. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler de développement sans développer l'économie. Ce sont les entreprises c'est l'industrialisation, c'est autant de points sur lesquels il faut, jouer pour que euh, les autres secteurs puissent évoluer. On nous parle d'investir dans la santé, investir dans l'éducation, investir dans la sécurité. Mais comment vous investissez dans ça En allant tout le temps prêter de l'argent En allant quémander de l'argent Où est notre souveraineté Non. Tous les pays qui ont réussi à se développer concrètement ont d'abord commencé par l'économique c'est à travers les, bénéfices, on va dire ça comme ça, terre à terre, c'est à travers les bénéfices réalisés sur le plan économique qu'on finance les secteurs sociaux. Mais au Niger, les Nigériens semblent mettre les secteurs sociaux devant tout, sans se demander Comment est-ce que je finance les classes, surtout le territoire nigérien, 1 267 000 km Comment je finance les hôpitaux non, ça, on n'en parle pas. Et même quand on en parle, on parle toujours d'appui budgétaire de l'Union européenne, appui budgétaire d'ici, d'ici, près de ceci, cela. Non, il est temps d'arrêter. Nous pouvons créer la richesse suffisante pour pouvoir financer nous-mêmes nos écoles et nous-mêmes nos, hôpitaux. Donc, notre génération défend également cette dignité nigérienne-là, cette souveraineté-là. Il n'est plus question aujourd'hui d'aller dans la même démarche. L'aide extérieure est utile, hein, nous ne la rejetons pas elle, est, utile en son temps. Mais il faut que le Nigérien retrouve cette dignité que nous avions d'antan. Donc, euh, pour cela, il faut que l'économie nigérienne vraiment euh, tourne à plein moteur, que nous produisions nigériens, que nous transformions nigériens et que nous consommons nigériens. C'est-à-dire que ça va être une chaîne vertueuse qu'il faut créer et qui va nous permettre donc de, subvenir aux, besoins d'investissement. Et par ailleurs, c'est une nécessité parce que très récemment, avec la zone de libre-échange qui vient de l'ASLECAF, qui vient donc d'être euh, mise sur les rails, euh, mise sur les rails, eh bien, il est évident que nous n'avons même plus le choix. Soit nous allons vers cette production, transformation et consommation locale, ou bien des géants tels que notre pays frère, euh, le Nigeria, viendront nous absorber parce qu'ils produisent déjà là-bas. L'industrialisation est déjà bien avancée là-bas. Salut Salut Zangina, votre comité aspire-t-il à conquérir et à exercer euh, réellement le pouvoir politique Absolument, nous serons présents et je le reconfirme encore, nous serons présents en 2021. nous n'avons pas fait un vœu pieux, c'est un engagement résolu. Nous allons commencer nos premiers pas par la première tentative au présidentiel au Niger, inshallah en 2021. Et nous poursuivrons cette dynamique-là jusqu'à ce que la jeunesse nigérienne parvienne sur cette euh, place-là qui lui revient de droit et que nous puissions, c'est ça euh, notre souci, que nous puissions assurer une transition euh, dans les meilleures conditions. Parce que c'est ce qu'on oublie. Lorsque cette transition-là n'est pas faite dans les meilleures conditions, elle arrive dans d'autres conditions. Aujourd'hui, nous sommes 75% et même plus peut-être de jeunes. Imaginez tous ces jeunes lions-là qui, tous les jours, se plaignent du chômage, se plaignent de la maladie, se plaignent du dénuement, se plaignent de l'insécurité. Tous les jours que Dieu fait, cette frustration ne fait que grandir. Si nous n'assurons pas une transition adéquate qui va nous permettre de prendre le relais dans le calme, dans la sérénité, eh bien ces jeunes-là, tôt ou bien tard, vont arracher ce qui leur est dû par des moyens qui ne sont pas souhaitables. Voilà pourquoi nous serons là en 2021 et nous nous battrons pour cela. Alaj Atahir Mohamed, vous étiez militant du PNDS Tareya. Pourquoi avez-vous créé un autre parti politique Monsieur Mokhtar, merci de nous avoir donné cette occasion, en tout cas de nous prononcer par rapport à ce, par rapport à cette thématique aussi importante que nécessaire. Mais avant, je tiens quand même à préciser que je n'ai jamais été un candidat du PNDS hein, mais je suis euh, quand même un jeune du tiroir, un jeune qui était euh, quand même euh, de cette grande famille politique, oui, mais milité au point de me targuer d'être dans de cette grande famille qui a été activement de ce parti, non. Voilà. Mais par contre, oui, je pouvais dire que j'ai été et à plusieurs reprises un acteur majeur dans le développement de ce secteur et en même temps un des jeunes qui avait apporté sa contribution aussi bien dans les écrits que dans son apport intellectuel depuis la diaspora. Depuis un certain temps, j'ai passé pratiquement toute ma vie en Europe et donc, au retour du pays, la nécessité voudrait que ce que nous avions appris à l'extérieur, qu'il puisse nous être profitable dans notre pays. Euh, le RDFD de le Rassemblement démocratique des forces pour le développement, est un parti politique fédérateur des forces et ces forces se conjuguent justement sur l'apport non négligeable de tous les Nigériens en m'inscrivant dans la logique de M. Kahn, je me retrouve parfaitement dans sa logique et parfaitement dans la vision qu'il anime et qui anime son équipe, celle de retrouver un modèle, un nouveau modèle des Nigériens, un nouveau modèle des citoyens, justement pour que nous puissions refaire et reprendre notre pays. Je m'en vais vous dire pourquoi. Nous nous prenons la rupture, non pas contre les hommes, mais contre un système qui broie les hommes et les jeunes de ce pays. J'ai coutume et à l'habitude de le dire à chaque occasion sur les plateaux télévisés que chaque génération a sa mission et sa propre mission d'ailleurs. La première génération était celle qui était venue en 1960 pour libérer le Niger du joug colonial. Ça, c'était son boulot elle l'avait fait avec euh, les manières et les techniques qui étaient les, siennes naturellement. La deuxième était venue justement pour euh, installer et en même temps conduire les acquis du colonisateur lorsqu'il partait ou lorsqu'il se départait de, de ses habitudes en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Niger. La deuxième était venue, celle de la conférence nationale, pour nous faire aspirer le grand besoin et la nécessité démocratique. Le vent de la démocratie avait soufflé et jusqu'ici c'est le même qui souffle mais avec des insuffisances. Ces insuffisances nous amènent aujourd'hui à la à, à l'émergence de nouvelles classes politiques jeunes qui maintenant son rôle serait sans doute celui de mettre sur pied une véritable dynamique démocratique et celle qui répondra avec beaucoup plus d'exactitude et avec beaucoup plus de précision sur le besoin réel de notre peuple et de notre pays. Donc nous sommes pour la rupture, non pas pour les hommes, mais pour un système qui continue aujourd'hui à faire en sorte que, quel que soit l'homme qui vient à la tête de notre pays, on risque de le retrouver si peut-être qu'il n'est pas autant que son prédécesseur, lui le d'année il devient peut-être pire que ce. Donc on s'est rendu finalement compte, ce n'est pas totalement un problème des hommes, mais un problème du système qui fait fonctionner les choses. Donc ce système, aujourd'hui, toute la nouvelle classe politique les jeunes qui sont aujourd'hui dans cette métastase de, la création des partis politiques, cette profil, prolifération-là. Donc je pense que notre but et notre objectif, ce sont justement euh, d'aller beaucoup plus vers euh, tout ce qui peut nous amener à broyer ce système. Vous êtes pour la rupture contre le système El Hajj Atahir Mohamed. Quelles sont les ambitions du RDFD de Lili Nos ambitions sont très claires. Nos ambitions sont ceux, d'abord, premièrement, de faire naître au Niger ce sentiment de travail, ce sentiment de dire que seul le travail paye et que la dignité, je rejoins euh, mon frère euh, Salim. Salim, qui disait que c'est dans la dignité qu'on peut construire beaucoup de choses. Et c'est dans la dignité qu'on devient fort. Et c'est aussi dans la dignité qu'on puisse forger un destin et un destin le plus rayonnant et le plus enviable. Et donc ce destin-là, nous sommes beaucoup plus pour la dignité. Cette dignité, c'est celle d'amener le Nigérien nouveau et un Nigérien modèle qui puisse faire du travail et sa, sa carte ses âmes, sa carte qui va lui permettre de franchir les frontières, de franchir le monde et de se dire que c'est dans le travail qu'on puisse aussi euh, s'émanciper, qu'on puisse aussi être bien éduqué, être bien, bien instruit, être bien formé et être beaucoup plus dans la santé. C'est par le travail justement que nous puissions euh, être ces jeunes qui puissent apporter ce changement, que chaque jeune qui crée un parti politique dans ces quatre dernières années peut-être en remontant dans ces cinq dernières années, et le véritable sens de son engagement et le véritable sens de ce qui le motive. Donc, nous sommes en train d'aller vers la contribution plutôt que dans le déni d'une réalité. Nous sommes en train de venir vers ce qui va nous amener à sauvegarder un acquis. Nous ne sommes jamais de ceux qui prônent le fait que euh, les anciens étaient là pour, euh, euh, pour devenir une gangrène pour notre pays, mais il y avait un système qui était là. Malheureusement, peut-être qu'ils se sont battus pour que ce système soit haute, mais malheureusement non. Mais je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse nigérienne en était comptable d'une manière ou d'une autre de tout ce qui s'était passé de 1960 à aujourd'hui, même si cette jeunesse n'avait pas été activement et qu'elle n'avait pas pris activement part à tout ce qui s'était passé, à tous les gouvernements que le Niger a connus, quand même, nous avions été de ceux qui ont observé et de ceux qui ont appris. Parmi ces jeunes, il y en a d'autres qui ont milité dans notre parti politique et peut-être que par le fait que les visions se divergent du simple fait que le monde évolue et que les choses évoluent. Il faudrait à un moment donné changer de, de disque et de, de CD pour qu'on puisse avancer. Naturellement, ça pourrait amener cette rupture-là pour que les jeunes puissent proposer une nouvelle offre politique. Ne soyons pas de ceux qui le nient aussi qu'il y avait une ancienne offre politique qui était là, une entreprise aujourd'hui qui, est à bout de souffle. Il fallait que cela soit revu et que cela, une nouveauté, aujourd'hui le, le progrès scientifique et technique puisse nous aider à intégrer tout cela dans notre nouveau, une nouvelle façon de voir les choses et dans notre vision de porter euh, notre pays au plus haut sommet de sa gloire et de le conduire en tout cas à ce grand rendez-vous des nations. La ZLECAF en est un cas, en est une preuve qui est là et donc il faudrait qu'on embrasse le monde et qu'on le fasse avec beaucoup plus de ténacité et de, détermination. Kane Kadaure Habibou, aujourd'hui, quelle est la place de votre parti, la SDR Savoie, dans le concert des autres partis, moins d'un an après sa création Merci, Monsieur Mokhtar. Euh, je vais me permettre de revenir peut-être sur une petite précision qu'il faudrait apporter par rapport à l'introduction que vous avez avancée. Allez-y rapidement. Il n'y a pas 120 partis politiques au Niger. Il y a plutôt 140 partis politiques agréés. Et rien qu'en 2019, il y a 17 partis politiques qui ont été créés. Ça, c'est juste pour apporter la précision par rapport au nombre de partis politiques existants au Niger. Et quant à nous, comment nous comptons. Euh, Quelle est la place de votre ah, parti La place de dans le concert des autres parties, partis. Moins d'un an après sa création. En fait, euh, on n'a même pas un jour de création parce que à la date <laughs> d'aujourd'hui, on n'a même pas eu euh, notre arrêté, l'autorisation officielle d'exercice. On n'a eu que le récipicé. Donc, à l'heure où nous sommes, je pense que l'arrêté il est en signature parce que la note favorable est vraiment un acquis quoi. Donc, c'est la signature seulement qu'on reste. Ce qui veut dire que la place de notre parti, quand même dans euh, le concert euh, de ces partis politiques au Niger, elle est plutôt une place de neutralité totale, si je peux vous le dire. C'est pas une neutralité qui signifie que nous sommes euh, totalement contre l'opposition, nous sommes totalement contre la mouvance présidentielle ou nous sommes totalement contre le groupe des non-affiliés. Non, c'est pas de cela qu'il s'agit. Pour le moment, nous, nous sommes arrivés dans un champ que j'ai qualifié d'escarpé parce que dans notre programme politique, ce que nous avions priorisé d'abord, si vous regardez dans le volet politique, c'est la réconciliation nationale. La réconciliation nationale, c'est important en termes de politique intérieure. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez le paysage politique nigérien, nous avons une euh, euh, opposition qui est quadricéphale. Nous avons également. Quadricéphale, selon vous, ça veut dire oh, Oui, qui a quatre têtes, quoi. Et donc, euh, du coup, vous voyez un peu ce que ça représente. Vous regardez également euh, la mouvance, qui est plus ou moins solidaire. Les non-affiliés qui sont divisés également en deux camps. Ce qui veut dire qu'il y a un véritable problème qui se pose dans euh, le champ politique nigérien. Et nous, si nous arrivons euh, à travers les constatations que nous pouvons faire, les analyses, les observations, on ne peut que être observateur au démarrage. Regarder exactement euh, lequel de ces camps euh, représente porte beaucoup plus les vertus, les valeurs et les idéaux que nous défendons. Et de cette façon, on se fera une idée qu'on va rendre publique, effectivement. Mais je pense que cela viendra après une démonstration de force, euh, démonstration de force, comme j'ai dit, de quoi est-ce que nous sommes capables en termes euh, de mobilisation, en termes de création de notre propre électorat. Et cela viendra peut-être après les élections. Donc, ce qui veut dire que, euh, pour le moment, nous sommes plus ou moins des non-affiliés, d'accord mais ce champ politique-là, nous sommes toujours dans son analyse, nous sommes toujours dans de l'observation. Et Inch'Allah, on fera connaître notre position au temps opportun. Alhaj Atahir Mohamed, quels sont les enjeux et les défis de l'engagement de la jeunesse nigérienne dans la politique Mais les engagements sont très simples. C'est ceux de créer euh, une forte dynamique qui amènerait le jeune nigérien à se placer au cœur de cette sphère d'abord décisionnelle, aussi se donner une euh, identité dans le travail, une identité dans son apport, en tout cas, enfin, dans son apport euh, relativement à tout ce qui pourrait contribuer au développement de notre pays. Ce n'est pas étant, enfin, ce n'est pas dans l'isolationnisme qu'on puisse se dire, euh, ou en marge, en restant en marge de l'évolution des choses, qu'on puisse croire une seule seconde qu'on puisse apporter quelque chose. Non, je pense que quand vous voulez savoir ce qui se trouve dans cette maison-là ou dans cette chambre-là, il faudrait forcément que vous y soyez pour que vous puissiez au moins savoir comment enjamber cette euh, chambre-là avec beaucoup plus de lucidité, avec beaucoup plus d'intelligence et avec beaucoup plus de, de, de, tact en fait. Donc je pense que nous, sommes, nous nous reconnaissons beaucoup plus euh, euh, dans le travail, nous nous reconnaissons beaucoup plus dans l'apport non négligeable de chacun, on a toujours les forces de ce pays, chacun a quelque chose à apporter pour que nous puissions développer notre pays. Le président Zengine avait dit quelque chose d'extrêmement important. L'aide extérieure, nous ne la rejetons pas. Nous en avons besoin. Le partenariat, personne au monde ne peut évoluer en vase clos. Ce n'est pas possible. Mais un moment donné, pour être digne, il faudrait que les Nigériens s'amènent à comprendre que pour qu'on puisse développer les secteurs sociaux de base, pour qu'on puisse se développer, il faut forcément qu'il y ait les, les recettes fiscales. Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui nous vient de nous-mêmes. Donc il ne faudrait pas qu'on attende que nos responsables puissent aller nous brader ailleurs et revenir encore dire qu'on doit faire, on doit rester digne. C'est pas possible. Il faudrait que la dignité commence par nous-mêmes. C'est à nous de donner l'exemple, de financer nous-mêmes nos problèmes quand on en a pour à la recherche de nos solutions. Et après, l'aide extérieure viendra par des mécanismes qui sont connus dans tous les pays. Aucun pays au monde ne se suffit, y compris ceux qu'on croit les géants. Aucun sur cela. Donc l'engagement de la jeunesse, c'est de participer activement à cette vie politique et surtout de se placer au corps de tout ce qui se passe dans notre pays. Je m'en vais inviter la jeunesse nigérienne à se mettre dans cette euh, logique aujourd'hui de l'enrôlement biométrique, cette carte-là qu'ils auront qui va leur permettre de décider de celui qui sera le, le commandant en chef de leur pays en 2021. C'est extrêmement important. Et deuxièmement, je voudrais euh, revenir un tout petit peu sur ce que le président avait dit, et celle qui, enfin, l'optique qui, était la leur de rester hors, hors paysage, j'allais dire, enfin, ils sont dans le paysage, mais ils veulent se, de partir de tout cela en restant des véritables observateurs, en n'appartenant ni à l'opposition ni à la majorité, encore moins, disent-ils, aux non-affiliés. Dans tous les cas, une loi a été euh, promulguée, votée à euh, l'Assemblée nationale, récemment, qui reconnaît le Trois statut de non-affiliés du Niger depuis le 18 juillet 2019. Cette loi, quand vous n'appartenez pas officiellement à la mouvance présidentielle ou à l'opposition, vous êtes de facto non affilié. Donc il vaudrait mieux et c'est cela l'invitation que je lance à l'ensemble de la, de la classe, de, de, ces jeunes qui sont en train de créer les partis politiques, qui, sont en obtention de leur récépissé ou de leur arrêté ministériel, qu'ils viennent dans ce cadre légal pour qu'on puisse déjà émancher cette lutte à laquelle nous nous sommes livrés et pour laquelle nous nous sommes résolument engagés pour que le Niger puisse changer. Il nous le faut. Et deuxièmement, rapidement, rapidement cette classe politique euh, nigérienne, elle est vieillissante. Vous allez vous en rendre compte. Il vient de dire le présent que 17 partis politiques ont été créés en 2019. Et quand vous allez jeter un regard sur la, cette création-là, sur ces 17-là, vous allez vous rendre compte qu'en 2021, ils auront moins de 35 ans. Et naturellement, on crée un parti politique pour d'abord conquérir le pouvoir et l'exercer par la suite. Et naturellement, il ne faudrait pas que ce grand rendez-vous de 2021 puisse être une autre source de blocage pour un certain nombre de jeunes qui portent le Niger dans leur cœur et qui veulent aussi apporter leur contribution pour que ce pays puisse changer. Salim Salim Zangina, la jeunesse nigérienne s'estime mal représentée dans les instances de prise de décision au sein des autres formations politiques. Quelle est la place réservée aux jeunes au sein de votre comité de soutien politique Déjà, nous, c'est, je parle toujours au nom de, de cette nouvelle génération que nous représentons là, c'est de rompre avec déjà les méthodes de mobilisation. Parce qu'au niveau des As, nous avons été catégoriques et fermes là-dessus. Euh, négocier ou bien en tout cas démarcher l'adhésion des jeunes en contrepartie d'espèces sonnantes et trébuchantes, en contrepartie en nature, en nature de biens voilà matériels et autres, est absolument proscrit. C'est-à-dire que ce qui est souhaité, c'est l'engagement d'abord, c'est l'attachement au programme politique du candidat Zanguina. Ça, c'est le premier attachement. Ensuite, C'est une nouvelle euh, éducation politique. C'est une nouvelle, c'est absolument ça. Nous privilégions les, conférences débats, nous privilégions les sensibilisations, nous privilégions la promotion du civisme, des valeurs patriotiques, etc. Donc, le pouvoir pour nous ne doit pas être une fin en soi. C'est-à-dire que il ne faut pas être prêt à tout sacrifier jusqu'à sa morale, son intégrité pour obtenir le pouvoir. Nous ne sommes plus, nous pensons qu'aujourd'hui, en 2019, cette philosophie-là, arriver coûte que coûte au pouvoir par tous les moyens, ne doit plus subsister. Il faut arriver au pouvoir avec des valeurs, avec une certaine intégrité, mais surtout avec un programme. Voilà ce qui a toujours manqué, malheureusement, euh, on va dire, euh, à l'électorat nigérien. C'est que bien souvent, les candidats sont choisis sur des bases totalement subjectives. Totalement subjectives, pardon. Il faut que désormais, notre génération, cette jeunesse-là comprenne que on n'élit pas un homme ou une femme à un poste de responsabilité aussi important uniquement parce qu'il est de la même région que moi, uniquement parce que bon, il, a de l'argent, il y a de l'argent euh, avec lui, mais l'argent qu'il va vous donner là. Mais quand il va arriver à ce poste-là, la première des choses, c'est de se rembourser. En fait, il a fait un investissement. Il allait emprunter 18 millions. Il vous a dépensé ces 18 millions, vous lui avez donné le poste, mais vous pensez qu'il va, il va travailler pour vous. Il va d'abord récupérer ces 18 millions à travers des marchés, à travers euh, beaucoup de mauvaises choses peut-être. Donc voilà pourquoi la nouvelle dynamique de la jeunesse nigérienne, c'est d'analyser les programmes politiques pour comprendre qu'est-ce que ce candidat-là veut faire pour moi et quels sont les moyens qu'il compte euh, utiliser. Parce que c'est bien facile de dire... Euh, je vais élever le Niger au, rang des, des puissances. Mais comment donc ça aussi, ça compte. Voilà la nouvelle culture politique qu'il faut inculquer aux Nigériens, je pense. Et en tout cas, au niveau des As, c'est cette dynamique-là que nous sommes en train d'engranger. Comme je l'avais dit, il y a les méthodes aussi qui doivent changer. Parce que nous ne combattons pas à armes égales. Voilà les difficultés que nous avons. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Aujourd'hui, nous sommes tous des jeunes entrepreneurs pour certains, et puis euh, également euh, d'autres aussi qui ont leurs moyens de subsistance. Donc nous n'avons pas les mêmes bases euh, financières que ces, ces aînés-là, politiciens-là. Voilà pourquoi nous devons également apporter des innovations dans le système de mobilisation. Nous avons par exemple pour nous les INTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous avons les réseaux sociaux sur lesquels nous devons également tabler, qu'ils ne maîtrisent pas. Nous avons des images qu'ils ne possèdent plus. Ils sont âgés, nous sommes jeunes, nous sommes euh, beaux, nous sommes séduisants. C'est des atouts que nous mettons sur la table aussi pour pouvoir conquérir l'adhésion des jeunes. Donc c'est cette révolution-là des, des méthodes de mobilisation politique aussi que nous apportons avec nous également. Kane Habibou, rapidement, en une minute, quels sont vos conseils, recommandations pour une bonne gouvernance démocratique cette fois-ci au sein des partis politiques au Niger bon, La gouvernance démocratique au sein euh, des partis politiques euh, au Niger ne se résume seulement qu'à prôner le mérite et l'excellence. C'est-à-dire, euh, pour faire une bonne gouvernance, il faudrait trouver une égalité des chances à tout celui qui s'engage dans une formation politique. Et aujourd'hui, notre présence sur ce plateau en tant que jeune leader politique, c'est un signal fort à ces formations politiques, parce que ça montre que quelque part, on avait détecté des inégalités par rapport au traitement qu'on réserve aux jeunes qui s'engagent dans les formations politiques votre question ne se résume pas seulement au problème de la jeunesse, eh, c'est un problème général. Et je pense qu'il n'y a pas que la jeunesse seulement qui vit cette discrimination. Il y a les Et aujourd'hui, les femmes, les jeunes, les personnes âgées également, je pense que toutes ces franges de population-là vivent cette discrimination au sein des formations politiques. Et la meilleure façon de stopper plus ou moins, d'accord, cette prolifération des formations politiques est de créer un cadre dans lequel D'accord La personne pourra vraiment évoluer en fonction de ce qu'elle mérite. Et je pense que cela est possible. Alaj Atahir Mahamat, rapidement, vos conseils et recommandations Nous avons un programme politique qui a été, que nous avions intitulé euh, Ordre et discipline. Et nous pensons que notre pays regorge tout en ressources humaines, en ressources minières, en toutes les ressources qui sont capables de pouvoir nous faire avancer et nous faire développer ce pays. Donc nous n'avons besoin que de l'ordre et de la discipline. Cet ordre et de la discipline nous permettront quand même de gagner ce pari et de placer ce pays au plus haut sommet de sa gloire. Voilà. Rapidement, Salim. Ben pour euh, une bonne gouvernance des partis politiques, moi je dirais qu'il euh, faut promouvoir le, civisme, il faut promouvoir euh, le patriotisme au sein des partis politiques, il faut promouvoir surtout la démocratie, parce que quand vous avez des leaders qui échouent, mais qui se maintiennent à, à la tête de ces partis-là jusqu'à la fin de leur vie, ça veut dire déjà qu'il y, a un problème. Le parti n'est plus un parti populaire, mais c'est un patrimoine en fait d'une seule personne. Et je terminerai par appeler, moi, à la création d'un front jeune. C'est-à-dire que pour ces élections de 2021, on dit que le balai est fort lorsque toutes les brindilles sont nouées ensemble. Voilà pourquoi moi je pense que pour 2021, il n'est pas exclu qu'un front jeune se compose et aille à la bataille ensemble pour défendre nos idéaux, les idéaux jeunes que nous promouvons tous. La jeunesse représente plus de la moitié de la population nigérienne selon le recensement général de la population de l'habitat de 2012. Et si l'on s'en tient aux principes démocratiques, elle doit être au cœur des prises de décision en politique. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Kane Ekadaure Habibou, président de la synergie et des démocrates pour la République SDR Sabwa, Salim Salim Zangina, président du comité politique euh, de soutien des AS, les amis de Salim, et El Haj Atahir Mahmat, euh, président du RDFD d'Alini. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 41 radios partenaires. Merci, au revoir.